Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la FADA, l'émission des jeunes nous sommes euh, dans le mois de consommation euh, locale, euh, un mois qui valorise les jeunes entrepreneurs et leurs produits. Après la foire 100% m'aide à Niger à consommant local cette fois-ci. Les jeunes et les femmes entrepreneurs se retrouvent encore dans la capitale économique pour exposer leur savoir-faire. Et oui, la FADA de ce dimanche est installée au FONAF. Nous sommes à Maradi avec euh, les Abidjan pour voir euh, comment valoriser leurs produits, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui bloque euh, leurs efforts, qui doit les aider et comment on doit les aider s'il le faut ou bien c'est eux-mêmes doivent euh, faire tout ce qu'il faut pour arriver au sommet, pour satisfaire les consommateurs et aussi euh, satisfaire leurs besoins parce qu'il n'est secret pour personne. FONAF c'est aussi une rencontre partages, partage échanges. FONAF, c'est des formations. FONAF, c'est également les réseautages. On va voir euh, qu'est-ce qu'ils font ici et aussi comment est-ce qu'ils comptent développer leur euh, entrepreneuriat, leurs entreprises dans leurs localité respectives. Au micro, je suis Habib Garba. La technique est assurée par Abdelkader Tchambiano. Tous à la fada. Matkarang Baidano, c'est 35 minutes, euh, rubrique rose, chronique, partage d'expérience. Selangier Tchermira, Tchernobyl, di musique ko ay fo a kunno gara woni en bonno irgi sala on kona irgomo o fona fodo irsi kala a nmc won tandara ngayno bore no certification o zangi ngayno gedda filanu go bori boro ato imano gala inda ino gonak fakaren kuna wicir kambo wara bankan dumi kira mo kul mingi bonka terse ay sintinda ay kambo haja matano lima assalamu alaikum rahmatullah chef habib bonjour ai mayo da ci garba sulai maimuna ai lokaci mafari a wani kamfano wani promotrice Voilà, mafari kampano irga ma mafari sai ne da kai na irga go ganji bora kulmu duwa wannan nafa Hajia bonjour bonjour à tous moi c'est Fatoumata Gero la copromotrice de Geros Extend Gero's Extend machinga finger. ma be kama wai ne o Je yanga gine kan kan gono Assalamu alaikum ay mayo Moussa communicateur digital no de Force Smart communicateur digital zangara no gbo rega bora gina mu talle zaman si sirebon. bon ayir ga eh, ma ko kar karan go kande ay ma jira matran ba Ahmad Abdel Nasser Ahmad Abdel Nasser fonse euh je suis le promoteur de l'entreprise Saveur 227 c'est une entreprise agricole à 100% biologique agricole à 100% biologique ba engrais kain sara Asia Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc euh, moi c'est docteur Labo Mariama. Okay. Je suis la promotrice de Sarouni Land. Sarauni c'est une entreprise euh, qui évolue dans plusieurs domaines, à savoir la fashion modeste. On est dans la mode, tenue. On est également dans l'événementiel, tout ce qui est événement euh, à caractère islamique, religieux, pour les jeunes et les femmes. Ah, moi, c'est Ibrahim Boris Amira. Je suis euh, chef de division normalisation à l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et de certification à NMC. Normalisation, certification. Maintenant, une bonne certification. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et eh oui, vous avez compris, ami jeune ami de la fada, aran bayna kanno irgo irgo fona fodo aran dimo boreka irgo salan. San no gigune, zama kan ngana yiwon ginai, kai igo ne ga barbare, kai igo ne ga te, ka igo ne ga dan borai goreira, amdu darza, wai ne bonno irgo ne ga salan nkuna, irgo ne mo fona fodo matken ki son dano, haja maimuna, aye ga ko ne. Maimuna hunkuna aran jine kan yaran gona gite da dir sai ifo difo non gona gite da mata non gote kan nan haidu mudu darza gaskiya e zarmai no gane in ni fora ga dusa gangayen sinera madalla ne ga dusa inga dai no ya mm. eh, gine hunkuna entrepreneuria manci wai hunkuna ai gwan production no matakan aranci irin yazo kan gate communication digital kace bore kai yanga gine talla kan baga su siroga manci wai hunkuna irmine o irwar gote production irgogor irgin harara ir wane wono girgir bon kadam wani wo tabbas har no kaci mine ba zono amma hunkun entreprise kul no be gane kan asko digina ka dadi ne vantu gono vanto mo site mo ka dadi ne borbai in bai haikan nugo gate kene ingino kaci hunkun irgo ba fona fodo bor sukai tunu hal manganya mai ka nan gufo kan ganan danya mai borai gin bai maradi borai mo borbai in bai haikan borgo gate in bai mo borgine da fukai a te ga hamse wodi yan kunno irgo bukata koi presentation ga manci just produit hino no marko ifono agogate produit na fono agoga hamse wa haka zalik noro mo gogo du contribution fono go kat er wala labose zamirin bagane kan manci entrepreneur hino go nor samga e er de ingzi bara hunkul fournisseur kan ga do irgo gade jinayam jare nigeri zeno jare tare harno kinan mat no entreprise wo goda mat kulkan ago shifar sai da kan kaina irin mu bayyana mu kan borfo gona kan gogun wa aga ya da mono bore kayan gogoi a cire amciya assistant tayo amciya mo eh, bore kayan gidi a sai goyi rano ingai bumbo igo gudu na fa kenan ba da kan sai godi kan petit entreprise no chimno petit entreprise no amma bor kul gogudu inga na fa na fa ka cimo kan irkul kul gutun gasala entreprise qu'est-ce que vous faites euh, et voilà qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour valoriser justement vos produits Bon, pour valoriser nos produits, d'abord, il faut vraiment se former. OK. Parce que quand tu te formes sur ce que tu fais, tu le feras bien. Nous sommes dans la beauté, nous faisons du henné, dans les senteurs, parfums et encens. Nous sommes aussi dans l'habillement, l'habillement voilé. Les tenues, les abayas, les kimars, tout ce qui concerne les habillements voilés, on est aussi dedans. Ok, d'accord. donc Il El Bashir El Bashir. Il faut nous nous te sonda ni faman se fo communicateur développeur la il faut di fo de to smart site web bien en fait on vend des produits informatiques OK un site web bien hein. irrité application hein, sur mesure des communication digitale c'est vraiment euh, une entreprise ouverte sur euh, le développement futur euh, du Niger et qui propose beaucoup de choses dans ce sens-là.

paske yo kan gaido su mari ne rebe kulgu bai mo kaido su maro kan ba kun se ai su wani bai like ya mata na gite kan na poro di lo ko mono ine mo consomer local mata na gite kan na im kael bashir do ai mo mai da kafan bon non irum bo local no tout a de force smart ce sont des développeurs des communicateurs nigériens nous travaillons au Niger nous utilisons les moyens nigériens pour travailler Nene, il est partenaire. Eh, par exemple, le sondage, je parlais de Saudi Web SMS. Vous voyez euh, le système de messagerie de STM Ténéré. E d'envoi de colis ou de billetterie qui s'embarrassent ces messages. colis C'est notre produit qu'ils utilisent. Ouais. Nous faisons. Oui, Voilà. Amaka Irgita, c'est communication digitale. Okay. On va lui faire une page sur les différents réseaux sociaux mhm. en immortalisant son quotidien, des petits gestes de rien du tout. Elle peut vendre beaucoup. On Donc, on a Ningimi, Wala Tchad. C'est possible. Parce que dans le digital, il n'y a pas de limite. Ah, ah, tu prends, tu mets sur une plateforme qui est mondiale. Il n'y a pas de filtre. Tout le monde peut voir et tout le monde peut acheter. Donc c'est ça l'avantage de, communiquer dans le digital. Ok, merci beaucoup. Euh, Nasser Hamadou, dites-nous comment vous êtes en train de faire pour valoriser vos produits bio bio bio bio d'accord donc pour le moment nous euh, à saveur bio 227 nous faisons de l'agriculture biologique comme je l'ai dit n'est-ce mhm. pas euh, nous sommes articulés plus sur deux axes donc à savoir nous faisons la production la transformation de la plante de Kinkeliba produit de façon locale ensuite nous faisons la transformation euh, à trois couches nous avons les infusions de Kinkeliba les thés de Kinkeliba et la poudre de Kinkeliba etc merci en fait nous la différence c'est que on produit nous-mêmes ce qui nous donne déjà une garantie sur la qualité de nos produits donc les infusions de quinquilibar, on les transforme, on a trois saveurs au fait. Donc les infusions de quinquilibar à la menthe, les infusions de quinquilibar à la citronnelle, les infusions de quinquilibar au bissap. Et ensuite, on a les thés qui sont là. Les thés aussi qui sont à trois saveurs pour le moment. Donc on a thé de Kinkeliba euh, au bissap, thé de Kinkeliba à la citronnelle, thé de Kinkeliba à la menthe. Non, c'est bien. Nous, on y va valoriser. Parce que nous, ça, ni pour dire, bon, bah, maintenant, il y a nos questions, quoi, ni cano d'aller. Allez, vraiment. Son anikan de fashion bancaire, y a rangé, voilà. Quand on a remis nos valeurs. To, valorisation au do Vraiment, on utilise beaucoup le digital. On est à l'ère du numérique. Nous, honnêtement, c'est ce qui nous permet de valoriser nos produits. Aujourd'hui, les produits de Saronia Fashion font du worldwide. On essaye de faire vraiment comme on peut, mais on a des représentants, par exemple, pour le moment, on est dans trois pays, à part le Niger, au Bénin, en France, à Toulouse et bientôt aux États-Unis, à Washington. Donc pour le moment, le transport, c'est un peu ce qui nous bloque, essayer de voir comment. Mais avec euh, le, FONAF et toutes les opportunités qu'il y a, avec l'ANMC qu'on vient de découvrir et tout ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est un peu aussi l'idée du réseautage, connaître des gens qui peuvent t'aider dans la valorisation de tes produits. Donc euh, nous, on utilise vraiment beaucoup le digital. Mm. C'est à travers ça qu'on se fait connaître. Merci beaucoup, euh, Mariama. Euh, merci, à jeunes euh, auditeurs, auditrices des ans des radios partenaires du studio Kalangu. Hala avant qu'il djina, ait digina euh, sonda ima ine MNNC ngi Mais avant que irga innocent la rubrique rose proposée par les filles du studio Kalangu avant de se retrouver à la fada. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir à tous, euh, chers invités et amis de la FADA, je vous souhaite la bienvenue dans cette rubrique rose. Je suis Samira Wafi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre soin de sa peau avec les changements de saison. La peau est un organe très fragile et très exposé lors des changements de saison. Il faut donc lui apporter un soin tout particulier pour qu'elle reste éclatante et en bonne santé. Quels sont donc les bons gestes à connaître et à appliquer pour prendre soin de sa peau? La peau joue un rôle de barrière contre le monde extérieur. Alors, quand celle-ci change au rythme des saisons, la peau en subit forcément les effets. Parlons maintenant de la thermorégulation. Le corps travaille pour maintenir une température de 37 degrés, y compris au niveau de la peau, et ce, quelle que soit la saison. Quand il fait froid, les vaisseaux sanguins se contractent à cause du froid. C'est la vasoconstriction. Le sang circule donc moins. En été, c'est l'inverse. Les vaisseaux se dilatent en raison de la chaleur qui cause une vasodilatation. L'afflux du sang varie donc selon les saisons, ce qui explique les rougeurs, le changement de couleur de la peau, la transpiration et l'apparition de boutons lors des changements de saison. La peau sèche, est particulièrement fragile. Les peaux sèches produisent souvent moins de sébum. Elles sont donc plus fortement exposées aux variations appliquées par les changements de saison. Elles sont victimes de tiraillements, scams, et dès que le temps se fait plus sec. Le saviez-vous, l'impact de l'alimentation De nombreux aliments sont saisonniers, notamment les fruits et les légumes qui ne seront pas les mêmes en été et quand il fait froid par exemple. Or, ces denrées ont des propriétés très importantes pour la bonne santé de notre peau, notamment les aliments aux vertus antioxydantes qui vont aider à lutter contre le vieillissement cutané et à contrer l'indigestion d'oxydants. Présent dans la pollution. Soigner la peau de son visage sont des bons gestes. Pour prendre soin de sa peau aussi bien en été que quand il fait froid, il y a aussi des bonnes habitudes à prendre. Le nettoyage. Nous avons aussi l'hydratation, l'exfoliation, le masque si vous pouvez. C'est aussi très important. Que faire pour les autres zones du corps Durant les changements de saison, il n'y a pas que la peau du visage qui est concernée. Il faut aussi prendre soin des mains et des pieds, des lèvres ainsi que toutes les autres zones avec une bonne hydratation. Adaptation de la routine de beauté à la saison. En été, des produits plus frais et légers sont plus adaptés. L'été, on transpire nettement plus à cause de la chaleur. La peau a donc besoin de produits de soins qui la laissent respirer et qui ne l'étouffent pas. Les trois points clés donc à retenir pour prendre soin de sa peau quand les temps changent, c'est le changement de température qui ont des conséquences. La peau doit se thermoréguler et cela peut causer des rougeurs et des infections et de la transpiration. Ensuite, choisir des produits adaptés à la saison selon la période de l'année, la peau n'aura pas les mêmes besoins. Il faut adapter sa routine beauté. Et enfin, l'importance du nettoyage. Pensez à bien nettoyer la peau chaque jour pour enlever toutes les impuretés et partir sur des bases saines. Voilà, c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. my team, them no big feeders. Premier League is not UEFA. Small body, man. Merci beaucoup. C'était là la rubrique rose. J'espère que vous avez aimé. Et merci aux filles aussi du studio Kalangu. Irje Kafadara, Fada Kanger Singine, Fona Fodo, Maradi, Centre Godia, Nodino Irgo, Irgomo, Agence eh, AMNC Wana Tandakire, Irgino Sano Sanda, Aja Samira. Aran gini de dirse, ifono gutiaran wana gag sina karan gona kandi. pour la valorisation des produits euh, locaux euh, des jeunes entrepreneurs euh, nigériens. Pour la valorisation des produits locaux, je le disais tout à l'heure, nous avons mis à la disposition du public des entrepreneurs, des promoteurs et promotrices également des produits locaux. Nous vendons des normes, nous avons des normes et nous faisons également la certification des produits locaux. Et je sais ici que vous saviez un peu de quoi il s'agit quand on dit certification des produits locaux, mais je voudrais en fait l'attirer surtout l'attention sur le coût. Parce que nous entendons un peu partout, non, le coût de la certification est un peu élevé ici, un peu partout. Quand tu fais le tour, on a fait énormément du côté sensibilisation. Les gens connaissent l'importance de la certification, ils savent, mais ils parlent un peu de pourquoi ce n'est pas gratuit. Et j'aimerais d'abord euh, rappeler que l'ANMC est votre meilleur partenaire. Nos portes sont grandement ouvertes. Nous faisons la certification euh, en fonction de la taille de votre entreprise, en fonction de votre production également. La certification, c'est quand tu as les moyens de production. Elle, par exemple, qui est devant moi ici, elle a un produit qui est certifié. Donc c'est parce qu'elle arrive à produire avec des moyens qui sont sains. Donc il y a des préalables avant la certification. Donc nous, quand tu viens chez nous, on te dit tout ça. On te montre ce que tu dois avoir avant même de te lancer dans le processus de certification. Vous savez, ici, euh, généralement, sont les femmes transformatrices, surtout quand tu pars chez elles, des fois, c'est dans leur cuisine. Elles font la transformation du produit. Ça, ce n'est pas acceptable. Déjà, avant même de démarrer, il faut que tu aies ton propre local. Il faut que tes ustensiles, les ustensiles que tu utilises pour ta production soient différents de tes propres ustensiles de cuisine. Sinon, l'ANMC reste ouverte, vous pouvez venir. D'ailleurs, ça fait partie de nos missions. Comme vous regardez ici, c'est formation, supervision, conseil et assistance en matière de normalisation, de métrologie et de certification. Ah, parce matano ni ma hauski ga ina ina miya sunanki wani na sunanki ne ina miya sunanki suna na lady diana hassan mani amma an fi sani da suna ladies house creation ladies house ladies house nous sommes en train de parler de qu'est-ce qui bloque la valorisation de nos produits euh, locaux vous ça va, alhamdulillah, on peut dire ça va. Mais vous n'avez pas encore atteint l'objectif. L'objectif, c'est encore un peu loin. Ça vient. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller là-bas cikin eh, muna muna kuma yana samun gurare eh, an gode ma House tana a cikin duniya ko ba haka ba a dunkule matsalolin da matasa le produit n'est pas bien fait kuma wani yana soma a cikin entrepreneuria ba tare da passion ba ba zai tsaya duba ya gani cewa e, wannan aikin ya cancanta in yi. ina son yin shi eh ko a'a ina da masaniya a cikin aikin eh ko a'a ba dan yau ina sayar da turare ba ke muna ke tashi karan ka tsauki ce ke ma turare zaki sayar alhal baki da ilimin shi ko ba haka ba kawai dan kin ga ina samun canji ba haka bane ba to mu dai gaskiya mun gode ma Allah Allah kaɗai muke jira ya kira mu da alheri inda za mu kai inda buru cika amma a ko sheke gaskiya mun gode ma Allah alhamdulillah gode ma Allah oh, Fatima alors eh, dites-nous qu'est-ce qui bloque euh, je parle pas de vous particulièrement la valorisation des produits locaux de nos jeunes entrepreneurs ici parce qu'ils sont toujours dedans la voilà eh, on est là plus de 300 exposants je dirais ce qui bloque la valorisation c'est d'abord la visibilité parce que pour valoriser, il faut d'abord que ça soit visible par les gens. La visibilité, surtout pour les entrepreneurs qui sont dans la transformation, les femmes rurales, elles savent vraiment transformer, mais elles, n'ont pas de visibilité. Et cette visibilité, maintenant, elle est vraiment numérique. Et la plupart de ces femmes ne sont pas scolarisées. Donc même si vous allez les former, ça va prendre beaucoup de temps. Et les produits sont là. Donc il faut vraiment que quelqu'un je ne sais pas, une autre entreprise qui peut se charger de ça. Merci. Mamouna, vous avez euh, la certification, vous avez euh, la visibilité. Maintenant, qu'est-ce qui bloque euh, la valorisation de vos produits Moi, je, je, parler à mon nom. Oui. Parce que à chaque étape, j'ai des visions. Ok. Et ces visions, comme vous l'avez dit, à chaque fois je le dis, quand on grimpe des escaliers, il faut se dire quel est le prochain challenge. Ne pas se contenter de dire que oui, oui, maintenant j'ai la certification. Non, non, non. Moi, pour moi, avoir cette certification ne voulait pas dire oui, va te coucher, maintenant tu peux faire quoi tu Non. Ok. Aïe, oui, dis, on regarde, une certification, on est mais tu n'as pas droit. Mais tu n'es pas quand son produit qui certifié, alhamdulillah, boré, on Niger, il dit, halir gaban expo produit aban manci wai ai goga hayo bo mais pour moi maze produit din kan ai bangane din nokci produit certifié il faut que ai mi yi gice kan produit din fisibilla ai mano wani valoro valoro din kan ai ne ai ci kan ai ne sai bore yarda ai mi charan sai kan kan ai ne sai bore mace kan sai igogor ne wala ci bara bara no bore ngon ka iga hamburu mun bo im ka ai ne sai il faut sai matki ci condition ai din kan ya ici isino donc asino bore ya iga hamburu akwai ni aiwa wai dinga man ci hamburg kuma nu on accepte je me rappelle bien en tout cas nem se borani produit certifié aiwa mun ci ba ai doni jingaka ka fono gon kai konde produit bora ne ci ani yan gon kai ga ba imaran produit certifié hal matano aran go solenti mi certifié ne o sama be kan critique go banda ya da mono te nan kan te igine sai ati nan kan man te ne sai wani wo man te ma bar mai kenan ta har kul kan ba critique a gabu mu amba ba certification oh, kenan a go har sai tana ihin kanta mm-hmm. aran ne ifo go gir bloke a wade wa ga su kan cin dirsa da ci goyo goyodeno gicindi constance discipline haya hayawo hadde irni danji na gitan maka man china mse bu babu da kan go consome go begine kan wallahi kwaliya na ga kudin sabli aina mse bu bon begine kan wallahi kin bore wono certification e go inga goyo ga. on a tenu compte des remarques e que haya ke irci mu irgo da. ala gu funay ibon ora samira aina mse son dan borno certification a gande fondo am ye kaga taborga wala abandai no an bonno borai duwa tira an kan no kula te dai yi bangai no me yi fono koine merci pour la question hmm. en premier lieu il faut savoir que on donne la certification c'est pour une durée bien déterminée tu peux avoir la certification pour six mois, tu peux avoir la certification pour un an et même au-delà. Mais après la certification, en fait, il y aura un suivi. Parce qu'on te donne la certification, c'est parce que tu as répondu à certaines exigences. C'est parce qu'on est parti tester ton produit, ton produit est conforme. C'est parce qu'on est parti en audit pour voir comment se fait ton, processus de production et que c'est OK. C'est pour ça qu'on a validé ton produit, on l'a certifié. Maintenant, après, il y aura des suivis. L'ANMC peut aujourd'hui euh, décider, elle se lève, elle dit, bon, elle va aller en audit, elle va aller faire un suivi. Donc là, quand elle part et qu'elle trouve que ce pourquoi on t'a certifié, par exemple, le bon procédé que tu fais, les bons composants donc, que tu utilises et que tu as laissé tout ça de côté maintenant parce que tu as eu la certification, tu vas te dire, bon, je respectais les critères de qualité, je faisais bien mon produit, c'est pas, c'était pour avoir la certification. Maintenant que j'ai la certification, c'est bon, je peux produire comme je veux. Non, ce n'est pas comme ça. On peut à tout moment te retirer la certification. Donc, il y a un suivi qui se fait. Merci. Amis jeunes de la Fada, avant de continuer, Zamir Gofada, Fada Gokan. On va écouter la musique de la Fada avant de revenir euh, au Fonaf. An ce sallama mutuncin bako matan gida salamu alaikum. Maza akan ku su ne manya rijalukan nisa kawamu. an girma to a san an girma a dinga fit da haƙin gemu imani in ya muri ne ne a kan ta sai ku gane kotu du mai gulma shi ka gane tsoku dan daudu shi ka sauyin taku har wani ya yake yake Allah ka hada ni toshe hanyar samu farin wata kai yaro ka ne Voilà, Fada, musique aux Génako Gangan, Kader Kambiano, le maïsien de la Fada, à souvenir, merci Kader, merci aussi, j'espère que vous avez beaucoup aimé. Eh, Irie Kabatora Kouene. Aja Mariama, dites-nous, qu'est-ce qui bloque la valorisation des produits locaux en général C'est la thématique de notre Fada d'aujourd'hui. Je vois un Mbora quand affaire au une Kambarma Mbona Stéphane. borai go fure jinno to assalamu alaikum wiza borgano ta ai wodi yango ga hay kanga bloke mm ir mentalita bumbono ir consommateur mentalita mhm. zama ir entrepreneur masha Allah alhamdulillah iginga hinate bagay igo goyote amma hanfoyan dai koyno bumbo isudu ai wodi yanga nigerian bumbo a mentalita ga dahari danga imkati iru labo wano imkatu nangu fo wano ngai wo tanke labo wana no igidino danga manti amanti kal dai tare wani dai no gati har hannu don ka aiwo aidiyanga aspe aspeno kambo ihima tiga soba igi bogai sensibilize gumo so kan se ka deja certification ogono gono niga haya dai da cada tare wani amma igu wana irgice ci irma ka duka di tai duk na kan arin hinga duwa amma dai inga yiwo igidi dai kan tare wanda igiti yi hanna o oh. mm. kenan aiwo ai haiwa mon cri de coeur aussi c'est vraiment de sensibiliser nos frères et sœurs nigériens à continuer le consommer local, continuer la sensibilisation du consommer local qui est un des, thèmes du FONAF, euh, un des slogans du FONAF. Vraiment, continuer. C'est vrai qu'il y a, y a de l'amélioration, mais je pense qu'il reste encore. Ouais, continuer de consommer, continuer de consommer. bio euh, ah, le numéro à faire eh Consommer local, consommer local. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire L'essentiel, c'est de continuer la sensibilisation ou bien de donner des bons produits. Au fait, pour nous, proposer des produits de qualité, c'est le pilier de notre entreprise, au fait. Donc, par rapport à ceux qui bloquent, mm. nous, euh, à Saveur Bio 227, je dirais qu'on arrive à produire à très grande quantité. Mais là, très malheureusement, on n'a pas une quantité suffisante pour satisfaire la demande. Parce que la demande, il y a toujours la demande. Parce que là, actuellement, on est à, à Maradi, donc pour la force de FONAF mais on était déjà à 100% du Niger, vous voyez. Et lorsque même j'étais en déplacement, j'ai eu des appels des clients qui m'ont appelé, qu'ils veulent le produit, qu'ils veulent le produit. Mais on n'a pas cette capacité de produire en très très grande quantité, vous voyez. Je pense que dans ce sens, si on arrive à vraiment, vraiment euh, faciliter surtout, surtout l'accès au, financement aux jeunes, qui est d'ailleurs un, levier très, très difficile à faire. Parce que tout le monde le sait, bon, vous commencez la, la procédure et après vous allez vous rendre compte que vraiment c'est tellement compliqué à faire et raison pour laquelle ça bloque au fait. Mais quand c'est facile à avoir le, financement, je pense que ça, ça va passer. Et surtout les jeunes aussi, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Tous ceux qui connaissent nos produits vraiment peuvent témoigner de ça. Donc, Gieka. Et oui, c'est avec 50% solution on écoute euh, la chronique de l'émission Tous à la Fada avec 50% euh, avant de se retrouver. Amis de la Fada, bonsoir. Ce dimanche, nous poursuivons notre analyse sur le sujet de la semaine. Il s'agit de la constance au renouveau. Hier, nous avions vu ce que c'est que la constance. Aujourd'hui, nous verrons ce qu'est le renouveau et comment équilibrer la constance et le renouveau. Le renouveau est l'antidote à la monotonie. C'est l'art de l'exploration, de la découverte et de la remise en question. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort, à apprendre des nouvelles choses, à rencontrer des nouvelles personnes et à nous réinventer. Le renouveau insuffle de l'excitation dans nos vies et nous empêche de devenir des pions inanimés dans un échiquier. Cependant, un accès de renouveau peut également être déstabilisant. Il peut nous laisser sans repère, nous faire perdre nos racines et créer de l'instabilité. Il faut donc trouver un équilibre, une harmonie entre la constance et le renouveau. La véritable sagesse réside dans notre capacité à savoir quand il est temps de rester constant et quand il est temps d'embrasser le renouveau. Cela exige de l'autoréflexion de la flexibilité et une compréhension profonde de nos besoins et de nos aspirations. En fin de compte, la constance et le renouveau sont les deux faces d'une même médaille et notre mission est de les intégrer harmonieusement dans notre vie. Alors, chers auditeurs, souvenez-vous que la vie est une œuvre d'art en perpétuelle création et que c'est en jonglant habillement entre la constance et le renouveau que nous pouvons composer une mélodie qui résonnera en nous pour les années à venir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. C'était votre chroniqueur. À bientôt, chers auditeurs, et n'oubliez pas que la vie est une danse que nous pouvons orchestrer à notre manière. Bye bye. Merci Seno, euh, merci aussi à Mijan de Lavada, euh, Irangan Seno, c'est Irgbaye Mbundo Solution, au moins him kam danger se kangana amti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oui, bon, wani wa egidi kan danga parce que himga kambadan la rambo de gabi que on kuna labubo bora en dunyara ni entreprise étrangère foka dans un domaine où déjà il y a des nationaux du pays et les dominer c'est impossible donc il faut promouvoir on connaît quelque chose que beaucoup de Nigériens font comme activité dans, leur secteur où ils, ils ont entrepris et ils sont bons ils ont les qualités nécessaires pour gérer le travail vous allez voir des, Tunisiens, des Malgaches ou bien des Chinois en train de faire le travail. Au lieu de confier le marché aux jeunes Nigériens. Et ça, ça fait des années que ça arrive. Aujourd'hui, vous allez voir pourquoi les gens ne sont même pas au courant que des sociétés comme Dev4 Smart existent, qui font des applications, qui font des logiciels. Moi, quand je parle à mes amis, je leur dis on fait des applis, on fait telle chose, on fait telle chose. Je leur montre sur le net avec euh, preuve à l'appui, voilà comment nos applis fonctionnent me disent non, c'est pas possible, c'est pas aussi facile de faire des applications. Tellement on est resté dans cette optique-là de pour consommer qualité, il faut que ça vienne de l'étranger. Il faut que les gens se disent que consommer nigérien, c'est aussi une façon de, vraiment rester digne et fier de notre pays. Mais maintenant, qui doit s'impliquer pour que ça marche euh, Parce qu'on a cité les euh, responsabilités, on a vu vraiment, il y a la faute de nous les jeunes entrepreneurs, il la faute de nous les consommateurs. Et voilà, maintenant, qui doit s'impliquer

hunkun hay kulno irsi baka cika irmir bon formé irmu do objectif fay et maintenant on passe à l'action har hin zai wadda irni da ir bafunara gune eta ga ka investisseur e ga ka banka yi e gumbo ga ka aran bai kan sai kyaran sai ne remarko kan ai ce ID di hunkun commerçant ga e kayan gogin gai goye te kan kwanto a ne igo gorin forano igi ce gani sai margina ran ga ba ir marano garau aran go fam kenan ai wo son idea ga entrepreneur sai bon walla irga ba financement irga ba financement irga ba formation irga ba gaya amma haye wo irno ga ma irmi da ir wana objectif faira da dai irno fonda gana kudur gudu dum koyan o oh, sonno ba ami jen amudi la fada irnya za ngan kai irka ne wono eh, maradi fona fodo na kai irka fa karai da furtaji company koy irmu dugu bai matano yigete kangana kampana gina kai gona gite labora gina ki gona gite imudu darza ifo no gona gani tafar matini gite gita faro din kan gai bonga ifo no gona gani tabandi ifa man se ide dir se irdi mo tabarika labore no kaya inga yo kai isigo goro go gor botu maji fo mate ine ngai reno kai gote ngai bonse dinga go ngai bonse kul dir ko ba kul kan go ngai bulo ke kul a gina no ngai dinga gin tu droit clair kada dai gona gin damo bankan gin kamba dai se boram kamba dai se kanga nai murada mate ne wono richard gorbani Azaw Salam. Merci beaucoup.